lan moo lan la def Macky Sall hmm. ba Macky Sall bañeeku ni parce que hmm. li bañ la de bañ la kay ñu fa la une coalition fa la hmm. ñu dem ba ci biir mu wala ginaaw complètement faalé wu la dem euh, ay nonam mu dil ak ñom de dil de de de kap protocole du Cap Manuel ñu dil ba génné leen ci kasso bi jappalé leen ñu dem ñu dem campagne électorale gagné la ñu toog génn aussi di la attaquer yow frontalement te yow ñemewuloo wax nga toog ba mu neex la ba mu neex leen nga ni mu ne la kaa ñu def débat kii ne waaw d'accord naa mu ne la léegi indil ma yi nga ma doon yi nga ma doon jiiñ maanaam ne man sama der dafa yàqu yow yi accès am ngeen accès ci sama ci sama ci sama lépp lu ma am génnee leen ko kii ne ko non duma ko génne mais boo ñëwee di nga xam dinaa wan sénégalais yi ne yow li nga sàcc nga def nga nii parce que j'ai toutes les preuves. Mhm. man ce que je veux savoir moi dama avoir question mais ndax tu es dans le secret de Dieu wala Adamus. Mhm. Euh, mhm. c'est quoi son problème fondamental qu'est-ce qu'il veut en, en, réalité là la Amadouba parce qu'il ne joue pas franc jeu avec les Sénégalais les miwah wax ak li am c'est un maintenant cas Amadou les Amadou c'est un cas c'est un cas lecture politique par rapport à son comportement. Mm-hmm. parce que moment où Ousmane Sonko Djumna dans sa communication à Dakar Arena. Mm-hmm. Amadou a sauvé a de la perche à Ousmane comment ça. pourquoi il a de la perche. Mm-hmm. parce que d'abord wax ba pare nit décrypter le message de Ousmane Sonko. est les limites de sa communication, mhm. sur sa communication, mhm. les aveux de taille qu'il a, mhm. donné lors de sa déclaration, Amadou fait une conférence de presse pour se laver à grand taux jour beau automatiquement Ousmane Sonko l'invite à un débat immédiatement immédiatement c'est-à-dire il l'invite à un débat on oublie la communication d'Ousmane Sonko on oublie sa communication pour se focaliser sur une communication une dualité par rapport à la deuxième personne qu'ils ont créé qu'il a créé, une mhm. dualité qu'ils veulent créer. Mhm. Et qui n'existe pas. On entre dans un ping-pong médiatique. Absolument. Bon, concerne mhm. et qui n'intéresse pas le peuple sénégalais. Noyer la communication de Bat, la l'arrestation de Bougan, noyer tout ça, et qu'on veut nous focaliser deux personnes. Mhm. or que dafa am une grande coalition il fait un, ça me mhm. cadre qui n'ont jamais géré. Mhm. qui n'ont jamais qui n'ont pas de problème et la coalition Takowalo, wàllu ils sont d'ailleurs, dañoo am de forte tête dans cette coalition sénégalais pour nous, bañ pour ñu faire une grande coalition y a une coalition oui le Pastef et. Amadouba. et Amadouba. c'est-à-dire le maître et son élève. mais attends dañuy on refuse. on le refuse. n'est-ce pas donc loolu muy andi donc ñu dem ci ping pong médiatique bi parce que ñoom aussi dañu am doole ah mm-hmm. Mm-hmm. dañu am Amadou dafa am dafa am dafa am sur le plan médiatique ah, Ousmane ah, Sonko am ay ay ay ay ñu leen di gérer maintenant bi mm-hmm. pour ñu faire gérer cette chose là loolu mooy coow comportement pour comportement. Pourquoi, pourquoi les gens ont peur par rapport à ça Je rien contre la coalition ensemble. Moi, si vous problème yi am. Mhm. def intercoalition ba aussi y a eu mhm. des problèmes. Mhm. parce que c'est à la dernière minute. la retirer retirer la liste de Dakar. sa liste de Dakar. Pourquoi Parce que Moussa nous dit que c'est lui qui a désisté. pourquoi, pourquoi, avoir une liste de Dakar dans la mesure où Bamba Fall fait partie de la liste du département de Dakar Absolument. Maintenant, il y a des problèmes. des problèmes sur le choix du bulletin. Oui comment ça soo département de Dakar mm-hmm. parce que suñ tegee ci table bi. les mm-hmm. département de Dakar suñ ko mm-hmm. les voix vont compter sur la liste départementale. les voix oui ou non. c'est des problèmes qui ont été mis na fi. mais attends ça ça ça crée des problèmes. sur le plan électoral. par rapport à l'opposition sénégalaise. maintenant nga allons plus loin ba ñuy c'est Ousmane Sonko qui a accusé tout de tous les noms à Ba fii. traité ko de voleur mm-hmm. de fonctionnaire milliardaire tout ça tout ça tout ça tu l'évites mm-hmm. mm-hmm. ko jël ko accusation yëpp teg ko ci deram mais heure bi waroo ko invité débat da nga ko war a euh, invité la war mais mais qu'est-ce se cache justement derrière parce que Amadou Ba lors de sa conférence de presse Ah bon, je pense qu'il a dit Ousmane Sonko daf ma nam rek xamna yi mhm. il est nostalgique et puis on m'a toujours dit que man suis man ma financé man suis derrière eux man suis mhm. len di financé man qu'est-ce que Amadou Ba joue pas un jeu avec les Sénégalais est-ce que Amadou Ba dafa bëgg Ousmane Sonko pour les échéances futures. parce que Ousmane Ousmane Sonko xamal nako ko xamal na sa mauvaise gestion et tout. du ma du ma du ma ci débat bobu mais lima ma xam daal mooy le jeu n'est pas clair. Mm-hmm. c'est ça moo tax moom laa lay laaj. c'est-à-dire le jeu n'est pas clair. à quel jeu est en train de jouer. à quel jeu est en train de maintenant pourquoi il le fait l'avenir va nous édifier après les élections locales. Mais il y a des indices sont ça. Il des indices. les élections. Ah. la transhumance qui va exister. au sein de l'hémicycle. Mm-hmm. une transhumance apparente. Mm-hmm. une transhumance en téléchargement absolument vers la création vers l'appartenance à une groupe parlementaire Pastef. Mhm. beaucoup de listes mhm. qui sont ou qui disent appartenir à l'opposition mhm. seront dans le groupe parlementaire PASTEF parce financé par qui j'ai dit beaucoup de listes parce que moulinou transhumer ni directement des ñaaw mais dem du groupe parlementaire PASTEF pour leur donner une majorité à l'hémicycle D'accord en téléchargement. je n'ose pas le dire tey. Mhm. mais bokk bëri na ay kàngam yu bokk APR. Mhm. yor seeni liste. wala bokkoon ci Benno Bokk Yaakaar yor seeni liste. Mhm. ils feront partie demain. à la coalition à la au groupe parlementaire de Pastef ay ñoom Moustapha Diop ak yooyu gis nañ leen de. Oh, ay Moustapha Diop immunité parlementaire dama ne dina am ñu bokk ci groupe parlementaire Pastef. dina am ñu bokk ci burum parlementaire takku wàllu ci ñooñu dina ci am ci groupe parlementaire Pastef dina am ci ñu bokk ci groupe parlementaire takku wàllu parce que ñiy bokk ci groupe parlementaire Pastef ba nag ñoo ci yëpp c'est pour se protéger ci poursuites yi am suba par rapport au foncier mhm. par rapport Sonko wax na ko Sonko nee na bu élection xam ndax dañu bëri dañoo dañoo par rapport aux poursuites Il l'a annoncé. Hein. Nous avons assurance. Mhm. Parce que si son corps n'a pas la majorité, et il faut nous l'Assemblée pour la majorité, devons nous garantir. Moi, je top. la leen di jox le fait que des dossiers judiciaires. chaque fois cest tous les présidents dans le temps c'est ça qui va continuer. Mhm. Franchement. Au sein de. Bip, ça sera au sein de l'hémicycle. Oui. Oui. biir assemblée nationale lay xew ah. mooy eh Moustapha Diop am nga ben député wala am nga ñaar mhm. maa ngi dossier waaw fi wala ma ma jàpp mu daw eh diw waaw maa ngi dossier mhm. ka daw si dugg c'est que lolu lay fexé pour mun a am une majorité confortante au sein de l'hémicycle lolu de rupture ça sera du maquis pire que pire pire. maquillage politique maquillage politique. sénégalais comprendre eh. ah. ils sont dans leur jeu ils font toujours la même chose. nous sommes dans un pays on ne peut pas faire. franchement franchement c'est pas possible ils ont tenu des discours populistes mais dans la pratique c'est autre chose qui existe et nous il faut que les sénégalais soient éveillés absolument pour que l'union que il faut renforcer mm-hmm. la coalition forte de mm-hmm. l'opposition mm-hmm. l'intercoalition forte de l'opposition parce que faux, micmac politique du Tchab, Géopolitique du diable Wow. Ousmane Sonko comptera sur une partie des listes de l'opposition pour mm. avoir, pour garantir sa majorité. Parce que pour aller vers les, 35, qui explique d'ailleurs ces listes-là, toutes ces listes-là. Vers les 3 cinquièmes. Tu nous, nous les Absolument. Pour amener les 3 cinquièmes, c'est-à-dire les fausses listes. Absolument. Pour nous, on amener les 3 cinquièmes des mm. listes, c'est-à-dire les 89 députés. Boum la bête souba. 99. 99 députés. Mm-hmm. Boum la bête souba. Mm-hmm. Ah, c'est comme ça bon damay <laughs> bañ damay bañ a ay turu coalition ñëwal non non mais mais heureusement que moy li wax ay doomo doomo doomo percer le mystère Amadou Ba nit ñi comprendre son oh, jeu non xam xam nga le mystère hein? am le cas Amadou il est devenu un mystère hein non non parce que mom wax naa leen ko fi ne leen mm-hmm. euh, li may wax en général moy ñi nekk ci biir mm-hmm. kër Amadou man am na ñu ma ci xam mm-hmm. ñoo xam ni euh, gëm am nañu xeex quoi parce que may ma entreprenariat ma joxe benn information qui m'a fait un peu rire. Mhm. Euh, Y'en a marre euh, dem ci mairie naan wax ak sa maire rek xaw ah, euh, <laughs> ma lan. waaw reprendre nañu programme. kii kan moo fa nekk léegi. moo ma jaaxal xoolal Aliou Sall laa gis ak ak ak Thiat. Thiat moom Thiat